Précisément, euh, ce rapport, qui est fruit euh, d'un travail collectif euh, de la société civile sahélienne et ouest-africaine, soutenu par un grand nombre d'ONG internationales, vise précisément à considérer que la problématique sahélienne aujourd'hui va bien au-delà de la seule lutte contre le terrorisme. et il cherche à ouvrir des perspectives nouvelles centré sur les besoins des populations. Euh, il se fonde sur un constat euh, qui est le suivant. Euh, on s'aperçoit qu'entre 2017 et 2020, les attaques contre des civils ont quintuplé et que le nombre de civils ou de suspects non armés tués, y compris des femmes et des enfants, est passé de 356 à 1443, soit une multiplication par 7. Euh, de, euh, des, violences contre les civils. Euh, on s'aperçoit aussi que dans les trois pays du Sahel central, davantage de civils ont été tués par des soldats censés les protéger ou par des groupes d'autodéfense que par des groupes armés non étatiques. on voit également que près de 2 millions de personnes ont dû fuir leur foyer et que 13 euh, millions euh, d'enfants sont privés d'éducation. Euh, enfin, on s'aperçoit également que l'approche actuelle a échoué à endiguer les attaques des différents groupes armés, y compris des groupes djihadistes, attaques qui ont presque doublé chaque année depuis 2016. Et dans ce tableau très noir, il s'avère que les civils sont les principales victimes euh, des conflits. Donc c'est pour ça que nous proposons euh, une approche qui vise justement euh, à davantage prendre en considération leurs besoins fondamentaux de sécurité. Oui. Est-ce que vous avez fait des recommandations Quelles sont les recommandations Absolument. Euh, en réalité, euh, nous avons défini euh, quatre priorités que nous appelons les piliers citoyens, selon lesquels, à notre sens, il conviendrait de revoir l'approche actuellement soutenue. La première de ces euh, priorités, donc le premier pilier euh, citoyen, euh, vise à placer la protection des civils au cœur de la réponse à la crise sahélienne. cela signifie que plutôt que de mesurer le succès des opérations engagées qui demeurent nécessaires, hein, nous ne absolument pas la, la, nécessité de mener des actions sécuritaires et notamment militaires, mais nous estimons que les modalités d'évaluation de leur succès euh, et euh, euh, a inapte à embrasser la réalité actuelle. C'est-à-dire que pour nous, aujourd'hui, plutôt que de mesurer le succès des opérations militaires à travers le nombre de terroristes neutralisés ou de matériel saisi, nous pensons qu'il faut évaluer les, opérations en répondant aux questions suivantes. combien de centres de santé ont être ouvert grâce à l'intervention militaire Combien d'écoles accueillent de nouveau des enfants euh, Est-ce que les populations euh, désormais peuvent céder euh, accéder à leur pâturage pour élever leur bétail ou à leurs champs pour les cultiver euh, les opérations ont permis aux déplacés, aux réfugiés euh, de retourner euh, chez, chez eux Et ou encore, est-ce que l'accès des populations au marché dans les villages voisins a été favorisé par les opérations C'est un changement de focus que nous recommandons. Nous recommandons également euh, de euh, étendre euh, le mécanisme extrêmement pertinent qui a été adopté récemment par le G5 Sahel, qui se nomme le MISAP, c'est-à-dire le mécanisme d'identification, de suivi et d'analyse des dommages causés aux civils, de euh, l'étendre à l'ensemble des armées nationales sahéliennes afin de euh, dédommager euh, pour les incidents, aussi bien en matière de sécurité physique que d'atteinte aux biens qui touchent spécifiquement les civils. Le pilier 2, lui, s'articule autour de la nécessité, selon nous, d'appuyer des stratégies politiques pour réduire la crise, pour résoudre pardon, euh, la crise profonde de gouvernance qui, euh, à notre sens, est à l'origine euh, de la déstabilisation actuelle du Sahel. Et cela implique avant tout de faire en sorte que les politiques qui sont engagés aussi bien au niveau national de manière croissante, hein, comme on l'a vu au, Mali ou au Burkina Faso, mais aussi les dialogues très locaux qui sont mis en place euh, sous l'égide de certaines euh, organisations internationales, mais aussi euh, surtout par des autorités locales comme les, chefs coutumiers, les chefs traditionnels, qui impliquent hein, des, acteurs de sécurité très locaux, que ce soit des groupes djihadistes ou des groupes d'autodéfense, soient inscrits dans un cadre beaucoup plus cohérent favoriser une approche globale. Euh, il nous paraît euh, également euh, indispensable de s'attaquer à la crise de gouvernance à travers une mesure extrêmement précise qui est celle de l'engagement de poursuite et de condamnation pour tout ce qui touche aux euh, des budgets euh, dans le domaine de la défense euh, que l'on a malheureusement vu mis en exergue par des autorités étatiques d'ailleurs, hein, qu'il s'agisse de l'inspection des armées de Niger ou le vérificateur général au Mali par exemple. Donc faire en sorte que les détournements dans le domaine de la défense soient poursuivis euh, et, et, ne deviennent plus possibles. Le troisième volet euh, porte sur euh, la réponse aux urgences humanitaires, parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la réponse humanitaire au Sahel est sous-financée et que, par ailleurs, il y a également des problèmes d'accès euh, des personnels humanitaires aux populations euh, qu'elles se sont euh, données pour vocation de, secourir. donc nous pensons qu'il y a besoin de faire en sorte que les besoins, que, le financement des plans de humanitaire soit au moins financé à hauteur de 80%, euh, et par ailleurs euh, la nécessité de mener un dialogue civilo-militaire afin euh, que l'accès des organisations humanitaires aux populations ne soit pas entravé par un certain nombre de chevauchements dans la mise en œuvre des projets sur le terrain et d'autre part faire en sorte que l'accès humanitaire ne soit pas empêché par des législations antiterroristes justement euh, le propre de l'accès euh, humanitaire, de, l'action humanitaire, et euh, sa neutralité et son impartialité, quels que soient les acteurs de Enfin, dernier pilier, c'est notre pilier 4, qui porte sur la nécessité de lutter contre l'impunité, puisqu'on s'aperçoit qu'à ce jour, aucun procès de soldats sahélien, hein, responsable de exaction euh, contre des civils euh, ne s'est tenue. Euh, donc nous soulignons la nécessité que soient conclues des enquêtes impartiales et indépendantes puis que s'ouvrent des procès de responsables de milices ou de groupes d'autodéfense ou de soldats, notamment en ce qui concerne les massacres d'Inates au, Niger, de Djibo au Burkina Faso ou d'Ogosago au Mali. Voilà, Madame Niagale, merci beaucoup. Merci pour votre euh, disponibilité. Merci à vous.